Il est l'heure. On tourne la page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Kayesi. Barkaji modon e wonta e golitane. Jama'a barkamu da sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Chers auditeurs du studio à Kalangou, bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, Siraki Arimi et à mes côtés, Rukayeta Abdraman. La technique est assurée par Abdraman Abdelkader Chambiano à l'édition. Nous avons la grande dame Adama Dawaki. Bonjour Ruki, comment tu vas Bonjour Rakia, je vais très bien et toi Ça va bien, Alhamdulillah. Super alors, qu'allons-nous servir à nos auditeurs ce matin Comme d'habitude Ruki, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec le flash d'information pour commencer et aussi de la bonne musique nigérienne. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons environnement comme tous les mercredis. Et comme invité du jour, Raitia, nous recevons le président du conseil communal de la jeunesse d'Arlit. Il s'appelle Moussa Meyati Sanoussi. Avec lui, nous allons parler du bilan de ses trois premiers mois, ses projets, ses objectifs et ses principaux défis. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport, un reportage régional du Loti avec les femmes du studio Kalangu et de la culture linguistique en français et en germain. Nous allons clore avec le message vocaux de nos auditeurs. Installez-vous confortablement, c'est parti. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous allons ouvrir cette émission. Accueillons ensemble Mokhtar Hamadou pour le flash d'information. Bonjour Mokhtar. Bonjour Rakia, bonjour Rokayatou. Bonjour, Alors Mokhtar, quelles sont les nouvelles de ce matin Voilà le flash d'information de ce matin à présent. Ce 24 janvier est la journée internationale de l'éducation, une journée qui vise à rappeler l'importance de garantir à chacun le droit à une éducation de qualité. La ministre de l'Éducation, Dr Elisabeth Sheriff, a appelé à tous les acteurs de renforcer la résilience des apprenants face à l'extrémisme violent à travers une éducation de qualité. Un incendie se déclenchait lundi aux environs de 20h à la station régionale RTN de Maradi. Le studio et la cabine technique ont été dévastés, selon des sources rapportées par le quotidien nigérien national Le Sahel. Un court-circuit serait la cause du sinistre l'on ne déplore aucune perte en vie humaine. Le gouverneur de la région de Maradi s'est aussitôt rendu sur les lieux pour le constat. Adifa, la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, a lancé ce week-end l'enrôlement biométrique des populations déplacées internes. Selon la ministre, je cite, avec euh, les déplacements massifs des populations nécessitant une réponse humanitaire et la recherche de solutions l'enregistrement des personnes directement affectées par euh, ces situations est une préoccupation majeure de l'État en vue de mieux planifier des interventions et réponses aux besoins dans l'ensemble des secteurs de base. Et c'est tout pour euh, le flash d'information de ce mercredi 24 janvier 2024. Merci Mokhtar pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme invité ce matin, nous recevons Moussa, Moussa Mayaki Sanoussi, euh, le président du conseil communal de la jeunesse d'Arlit. Bonjour Mayaki. Euh, bonjour, euh, Studio Klango. Bonjour. Bonjour Moussa. bonjour qui Alors, je l'annonçais tantôt avec vous ce matin, nous allons parler du bilan de vos trois premiers mois, de vos projets, vos objectifs et vos principaux défis. Mais avant de bien vous installer, dégustons cette musique du groupe Fahamei du titre Dako Dako. Mm-hmm. Kodako, qui veut dire docker, dans ce morceau, le groupe Fahamay valorise ce travail à l'analyse et décrit les efforts physiques qu'il nécessite. Chers auditeurs, après cette pause musicale à présent, il est temps de nous entretenir avec notre invité du jour. Moussa Mayaki Sanoussi. Je rappelle euh, que vous êtes le président du conseil communal de la jeunesse d'Arlit. Alors, Moussa Mayaki, pouvez-vous nous parler du bilan de vos premiers trois mois euh, Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Avant de commencer, de remercier Studio Kalangou de nous avoir invités. Mhm. C'est vraiment un grand honneur pour nous d'être euh, ce matin avec vous. Et comme vous pouvez le constater, il y a de là trois mois que l'État du Niger a, déclenché le processus de renouvellement <clears throat> du Conseil communal de la jeunesse. Bon, ça a commencé avec le, Conseil communal de la jeunesse et ensuite départemental, régional et national. Et à Arlit, nous avons eu en tout cas la chance eh, d'être élus à l'unanimité par nos pères, puisque ça s'est passé c'est les structures de jeunesse mhm. qui lisent, euh, qui se regroupent et lisent un comité, un bureau exécutif pour un mandat de, deux ans. Donc nous avons eu la chance en tout cas d'accéder. Et donc c'est vraiment une chance. Je voudrais vous expliquer ce qui <clears throat> ce qui est le conseil. Le conseil, c'est une institution de l'État qui est mise en place pour que ce conseil représente les jeunes de la politique publique de la jeunesse mhm. et avoir un cadre qui regroupe les structures de jeunesse et aux échelons donnés. Nous, au niveau du commune de Vanderlit, et nous avons une dynamique. D'abord, il faudrait le souligner. Il y a beaucoup de structures de jeunesse euh, qui, qui, se sont créées en vue, en tout cas, d'amener leur contribution dans le processus euh, de développement. Mhm. Donc, c'est toutes ces structures de développement qui ont mis en place le conseil de jeunesse, de jeunesse dont nous avons la chance d'être le président. Le conseil communal est constitué de neuf personnes à l'exécutif Mis à part cela, il y a toute une commission, il y a jusqu'à neuf commissions, cinq commissions, cinq personnes par commission, ce qui fait 30 personnes qui pour le comité exécutif. Ça fait déjà trois mois que vous étiez, vous avez été élu. Alors, euh, donnez-nous un peu le bilan de ces Il faudrait le dire que c'est pas, c'est pas du tout facile, mais quand même, durant ces trois mois, euh, nous avons eu à atteindre en tout cas jusqu'à trois assemblées générales juste dans le sens en tout cas d'amener les structures d'abord, de connaître que voilà, il y a le conseil qui est leur organe, qui le représente. Donc d'abord, l'objectif de ces rencontres, de ces multiples rencontres que nous avons eu à, à, faire, c'est juste pour amener les structures de jeunesse, de les dire voilà, ça, il y a un organe qui est là pour vous représenter. Ça c'est un. Mis à part cela, nous avons eu à travailler pour mettre en place un plan d'action 2024. Mhm. Le plan d'action va nous servir de guide pour pouvoir en tout cas énumérer un certain nombre des actions, des activités que nous avons, que nous, a, que nous avons, que nous allons faire pendant 2024. Mm-hmm. Donc, euh, de, notre consécration à aujourd'hui, nous avons eu à trois débats radiophoniques dans le sens d'amener notre contribution. Puisque, en tant que conseil, il faudrait le dire que c'est d'abord un démembrement de l'État. Mm-hmm. Mais à part cela, notre plus grand rôle, notre premier rôle, c'est d'amener les structures de jeunesse à être actifs, à contribuer à sensibiliser les jeunes, en tout cas dans les objectifs spécifiques bien donnés par rapport à la structure de jeunesse. Donc euh, nous sommes dans un moment euh, très particulier dans notre pays. Donc notre premier combat, c'est de dire aux jeunesses, le pays attend de nous. Donc il faudrait que chaque structure, conformément à ses objectifs, mhm. de mettre un accent particulier sur la question de la paix et la sécurité pour pouvoir accompagner notre commune d'abord et notre pays à asseoir une, paix durable. Voilà. Monsieur Sanoussi, vous venez là d'étaler euh, les défis. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous partager les projets que vous avez initiés ou planifiés pour améliorer la vie des, jeunes dans votre commune et il faut le dire que ces trois mois n'ont pas été faciles. Mais d'ores et déjà, nous avons eu pas mal, nous avons eu à faire pas mal des actions et nous avons animé en tout cas déjà une conférence dans la lutte contre la consommation des stupéfiants. Donc il faudrait, c'est une question qui est d'actualité. Donc si on ne fait pas attention, les, le plus grand consommateur c'est les jeunes. Donc il faudrait les sensibiliser par rapport à cette thématique. Donc euh, nous avons amené des experts dans la thématique pour pouvoir en tout cas expliquer à cette jeunesse, à cette plus grande couche de comprendre qu'ils eh, doivent cesser, puisque la majorité de ceux qui consomment les stupéfiants, c'est les jeunes. Donc notre premier, c'est d'avoir une jeunesse dynamique, une jeunesse engagée, une jeunesse responsable. On ne peut pas construire un pays, une commune avec des jeunes qui consomment des stupéfiants. Donc euh, notre premier bataille, c'est de, de créer les conditions pour animer des conférences, mais aussi des formations pour que les jeunes, ces jeunes puissent comprendre qu'ils ont réellement un rôle à jouer. Donc, euh, si ils doivent euh, constituer euh, une pierre pour, en tout cas, amener leur contribution à faire développer notre pays, ils doivent comprendre qu'ils doivent cesser de, prendre les justifiants. Mm-hmm. Mais à part cela, les jeunes d'Arlit, <laughs> les jeunes d'Arlit, il faudrait les dire, c'est là longtemps qu'ils ont besoin d'être en tout cas épanouis. Puisqu'on ne peut pas essayer s'épanouir intellectuellement si on ne peut pas s'épanouir aussi culturellement. Donc nous avons amené des, grands artistes à Arlit déjà pour créer un concert de solidarité, pour unir les gens. Parce qu'il faut que les gens soient unis. Donc on a fait déplacer un NDM à Arlit pour pouvoir en tout cas sur le thème mhm. Oui, allez ok, c'est un grand thème aussi, puisque nous, on, on s'est dit que le plus grand combat, c'est d'amener les gens à comprendre qu'ils ont un Voilà, bien, nous allons revenir avec vous avec euh, plein d'autres questions. Et avant de continuer nos discussions sur les initiatives que vous mettez en place pour entendre les préoccupations de la jeunesse de manière inclusive, faisons donc une petite pause en musique avec ce son des Bodeneyo de Dit Démocrate. Regardez le ciel. Le ciel. Les étoiles qui brillent dans le ciel. me font penser à toi. Ta beauté est magnifique. salipé, assis sous le trottoir, je pense à elle. Elle m'a destiné, c'est pour elle que j'existe. Aujourd'hui, les pots sans femme parce qu'on n'a pas les mêmes idées. C'est elle qui a les clés. Pour veux me foncer. La pour aucune me pensée. J'élève ça déconner. Pour elle, j'ai fait des phases et j'étais trop mon amour. Sache que c'est pour toujours. J'espère des jours un jour, jusqu'à la fin de mes jours, que ça va aller un jour. Elle me dira bonjour. Debo Genejo, euh, la femme claire euh, dit démocrate, euh, rend hommage à la femme du, de teint clair qu'il trouve belle. Il chante l'amour et l'olège et poésie. Confessez ma fierté, j'ai l'aime de tout mon corps. Et le ciel même, bien que je ne vaux rien, j'essaie de tout mon cœur, tout mon âme, toutes mes forces pour la réconforter. À ça jusqu'à la morte, il quoi pour la C'est le pacho. Debbo de dit démocrate, alors Mayati, est-ce que vous avez aimé ce son Ah, je veux bien, c'est un son qui m'a rappelé beaucoup de choses. Hein. <laughs> j'étais euh, fan des Démocrate Bien. Ok, alors euh, dans le conseil communal euh, de la jeunesse, quelle est la place des femmes, des filles Ah, des filles. Mm. Mm. Ok, ça c'est une trop belle question. Et moi, je le dis toujours, et partout où l'occasion se présente, que et dans les différents conseils dans ce pays-là, il y a jusqu'à 240 euh, et quelques conseils communaux. Je pense que notre conseil communal uniquement à Arlit est constitué de jusqu'à neuf et euh, jusqu'à 5 euh, jeunes filles. Mhm. Donc c'est vraiment à saluer, puisque c'est là nous nous avons dit qu'il est important de mettre en avant le leadership mhm. féminin. Et nous sommes au Niger, nous sommes dans un pays <clears throat> en majorité musulman. Mhm. Donc, euh, vraiment, la place de la femme ne doit pas être seulement en tout cas à la maison. Donc, c'est mhm. pourquoi nous nous essayons à chaque fois de dire <clears throat> à nos jeunes et euh, sœurs de ne pas se laisser à la marche. Il mhm. faudrait à chaque fois qu'il y a quelque chose qui, qui, qui, <clears throat> qui essaie en tout cas d'amener des contributions dans votre milieu de vie, il faudrait que vous bougez, puisque moi j'ai plus confiance au leadership féminin. Alors, vrai. Euh, elles sont combien déjà Ils sont 5 sur 4. Mmh, wow. Ils sont 5 sur 4, ce qui fait que c'est... Merci de me rappeler. <laughs> Ils sont 5 sur 4. Donc ça, c'est un pari vraiment, puisque nous nous mettons en place, toujours nous mettons en avant le leadership féminin. Donc sur 9, sur 9 personnes, à de notre conseil est constitué jusqu'à 5 filles. Comment travaillez-vous en collaboration avec les autorités locales pour mettre en œuvre vos projets et atteindre vos objectifs D'abord, avant d'être conseil communal, nous sommes une structure de jeunesse. Donc les structures de jeunesse qui sont nombreuses à Arlit, ici à chaque fois, en tout cas, de travailler en parfaite collaboration avec les autorités. C'est pas pour rien si aujourd'hui à Arlit, a deux fois été la meilleure commune au Niger. Hmm. C'est en quelque part, c'est en quelque sorte, parce qu'il y a une jeunesse dynamique qui essaie d'accompagner et qui sont toujours impliqués. Des fois. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, en tout cas, ils nous appellent et nous disent que, OK, il y a quelque chose qui vous concerne. Et c'est ça aussi le rôle du conseil de jeunesse. Fédérer les structures, être leur porte-parole au niveau du commune. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, la commune nous associe à la mutuelle Rosalabol. Pour tout ce qui est de notre, en tout cas, prérogative, ils nous disent, il faut venir, ça, ça c'est à vous. Mhm. À part les, euh, les, autorités locales, comment le Conseil communal de la jeunesse collabore-t-il avec d'autres institutions locales pour promouvoir le bien-être des jeunes et favoriser leur implication Ça, c'est vraiment une très belle question qui va m'amener à faire du plaidoyer, profiter pour faire du plaidoyer et dire à, euh, des institutions et des partenaires de venir à l'État. À l'État, nous sommes à jusqu'à plus de 1000 km de la capitale. Donc nous sommes un peu à l'écart. Mhm. Pas même un peu, nous sommes à l'écart de la capitale. Donc nous appelons les partenaires à venir. Il y en a des partenaires. Il y a par exemple euh, euh, Somaïr d'ailleurs qui, beaucoup disent que, parce qu'il y a Somaïr, que certains partenaires ne viennent pas et autres. Non. Et à c'est une entreprise responsable à part, mais nous avons besoin aussi des partenaires. Pour parler de partenariat, nous travaillons en parfaite collaboration avec des institutions étatiques, mais aussi des, institutions privées comme la Somalie, justement, comme OIM et autres partenaires. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, en tout cas, on essaie, nous, en tant que conseil, d'alerter les structures de jeunesse et mhm. dire, voilà, il y a une opportunité, il va falloir à ce que vous s'en appropriez, l'opportunité, elle, est là, elle est pour vous, donc il faut aller tenter votre chance. Donc nous travaillons en parfaite collaboration avec, euh, en tout cas, nos partenaires qui sont installés à l'aide comme Soumaïr, comme, Soumaïr, comme euh, <laughs> Mayaki, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes d'Arlit et à la communauté en général et ce que j'ai à dire euh, à la jeunesse d'Alit, c'est d'abord les dire félicitations pour tous ceux qui le font. Mhm. Et les jeunesses, en tout cas, ils font, les jeunes font de leur pour apporter des contributions. Donc, euh, je, je, les appelle à continuer dans cette euh, dynamique et à ne jamais baisser le bras. Si aujourd'hui Alit est une référence, c'est parce que c'est grâce à vous. Donc, il ne faut pas baisser le bras. Il faut continuer à vous batailler. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a quelques activités, même sur le plan internationaux, vous allez voir qu'il y a des jeunes d'arrêt. Donc ça, c'est à saluer. Il faut continuer, mais continuer dans la responsabilité, continuer dans l'union et continuer dans la plus grande, en tout cas, eh, responsabilité. Il y a tant à dire, Monsieur Sanoussi, mais le temps est contre nous. Donc euh, merci, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons une, excellente, journée. journée. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Après cette courte pause, Rekia, c'est de la rubrique hebdomadaire. Nous sommes mercredi et justement, nous allons parler environnement, n'est-ce pas Oui, Ruki, aujourd'hui dans notre rubrique environnement, nous parlons de dangers de certaines activités de la pêche. Rekia, le colonel Madou Ibrahim, point focal de la convention Ramsar au Niger, nous édifie sur les conséquences de certaines pratiques de pêche sur les points d'eau. Il est interrogé par Aïla Toussoumana. Pour parler du fleuve Niger, il y a certaines activités illicites euh, qui, se pratiquent euh, là-bas, comme par exemple l'année dernière vers Gaïa où on a appréhendé des personnes qui déversaient du poison pour euh, capturer des crapauds. Qu'est-ce que vous faites pour euh, éviter ces genres euh, de pratiques euh? C'est des pratiques que nous avons constatées. Des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont même pas des Nigériens, qui viennent pour exploiter ces mares. Et malheureusement, ils utilisent des produits nocifs pour non seulement les crapauds, mais également pour l'homme. Parce que les gens boivent de l'eau qui n'est pas potable. Et là, comme vous le dites, il y a eu des saisies. Et personnellement, moi, j'ai assisté aussi à ces genres de saisies, notamment au niveau de Gaïa, où nous avons interpellé des gens qui le font. Malheureusement, c'est une chaîne il va falloir démanteler cette chaîne-là qui se trouve non seulement au Niger, mais aussi jusqu'au Nigeria. Parce qu'ils disent que ces grenouilles s'achètent mieux que le poisson. Donc pour eux, c'est une activité lucrative, donc il va falloir le temps nous appuie dans ce sens. On le fait vraiment volontairement. Donc le service de l'environnement de Gaïa et des autres départements et communes également vraiment sont à pied d'œuvre pour démanteler ces malfaits parce que vraiment il s'agit d'une activité néfaste à l'environnement de manière générale, à l'homme. Ils sont arrêtés et ils sont traduits selon la procédure à la justice le produit il est confisqué et détruit parce qu'il s'agit déjà d'un empoisonnement. C'est vraiment un empoisonnement, donc c'est pratiquement tout ce qui est vivant qui meurt. Donc c'est pas uniquement les grenouilles, c'est-à-dire les micro-organismes qui servent d'alimentation aux poissons ou aux autres organismes là, notamment les oiseaux meurent. Et là, tu vois, c'est toute la chaîne alimentaire qui est attaquée. Et nous mettons la mairie pour traduire ces délinquants à la justice. À part cette façon de faire, est-ce qu'il y a d'autres espèces euh, aquatiques euh, interdites de pêche que les gens capturent pour leur euh, commerce Généralement, la pratique la plus néfaste, c'est l'utilisation des scènes qu'on appelle candy candy ou des éperviers au niveau de plein d'eau. C'est des engins qui sont à petite maille, depuis que même un dos, de, fois, ne peut pas euh, rentrer. Donc, ils utilisent sur des plans d'eau et là, ils ne, donnent de chance à aucune catégorie de poissons. Donc, que ce soit les alevins, que ce soit les géniteurs mâles et femelles, sont carrément et simplement raclés. Et là, c'est une pratique néfaste parce que là, bon, je ne dis pas que c'est à l'image de l'empoisonnement du site, mais quand même, ça s'assimile à un empoisonnement parce que c'est pratiquement aucun individu ne reste dans l'eau. Là, vraiment, euh, la loi s'applique, la loi interdit l'usage de ces deux engins, notamment la scène et les parvis, parce que tout simplement, en général, c'est des, des engins qu'on utilise pendant la période de mars à avril, où il n'y a, a pas beaucoup d'eau. Quelle est la conséquence de cette pratique À un moment, le plan est vide d'eau. Généralement, comme c'est des plans d'inondation, vous allez trouver à, une période de l'année, mars, avril, où il n'y a pratiquement aucun poisson. Rien ne bouge au niveau de, ce plan d'eau. Maintenant, il faut la saison de pluie, quand le lit mineur il est alimenté c'est en sens-là que les autres poissons donc, qui, qui remontent le fleuve donc, se retrouvent là-bas encore. Ici, je reviens sur un exemple euh, pratique de gestion de ces zones de pêche par euh, un village dans la zone de Gaïa, C'est un village vraiment, ils ont une méthode locale de gestion des ressources où ils empêchent à tous de pêcher dans les plans jusqu'à une certaine période. C'est-à-dire que depuis la fin de la saison de pluie jusqu'en avril, personne ne touche. Et ils ont un système de rotation pour vérifier, pour faire la police entre eux, hein, vraiment, pour empêcher à ceux qu'on utilise les engins pour travailler au niveau de ces marais. Maintenant, à l'approche de la saison de pluie, ils fixent une date où les pêcheurs, ils viennent, ils viennent même du Niger, mais ils payent une petite taxe pour venir pêcher. Donc, et là, ça profite à tout le monde. On fait appel à tout le monde, à tous les villageois qui sont riverains, qui sont, ils viennent et puis ils pêchent, ils payent une taxe le village effet, il y a un pourcentage pour le village, il y a un pourcentage pour la commune, et il y a un pourcentage aussi pour le niveau central, donc pour l'État. Et là, vraiment, ouais, avec cette stratégie de gestion durable de ces zones-là, tout le monde se retrouve et la ressource, elle est préservée, l'écosystème aquatique est également préservé. 11 heures passées de 27 minutes. Si vous venez de nous capter, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Et c'était un entretien que le colonel Madougou Ibrahim, point focal de la convention Ramsar au Niger, vient d'accorder à notre collègue Rayla Soumana. Après donc cet entretien, prenons une pause musicale. Rekia le prochain son qui arrive, c'est le son Tobey de l'artiste Dari. Oui, Ruki, Dare parle des relations importantes dans la vie sociale, à savoir l'amour, l'amitié, le voisinage et surtout du comportement délinquant appelé à vivre avec autrui. Il veut qu'ils construisent, il ne veut pas ils détruisent. De chaque nation, c'est ce qu'on a choisi. La courtoisie ou l'hypocrisie. Je vis ma vie, tu fais la jalousie. Oh, Babylonie, c'est pas le cas, pour moi et mon ami. On s'éclate au riz, car ici va la vie. Nous on avait déjà compris La l'amitié n'a pas de prix. C'est Dieu qui en prie Dieu nous met à l'abri de tous ces mépris. Maman, je pense que t'as compris. Tu as ta petite famille, embrasse-la si ça te dit. Tu as ton petit chéri, casse-le si ça te dit. N'écris jamais tes amis, à cause de ton chéri. N'écris jamais ta famille, j'ai chéri, à cause de ta famille. Agni se kene to bai baliga kana bo foi chota ai it to agni de kana ديا ما كان فتاي سنرا دي فورو تابيرا هل بانيك دي سابيرا هاي نو جنفا زمسي سبوكا كانو فا شيفا ابو كيكا ابو ندم هو بي مكا شيمزي اي اي مكا تشوتريرا شيفا ابو كيكا هاديم فولا سابورا شيمزا كما شاورا تشوتريرا شيفا ابو كيكا ابو ندم هو بي مكا shi ne zai iya yi maka contaraiha kamata mu girmama butaka abokina ya mini maka contaraiha egana sabe da tobai a ganin sai kai na tobai ba ni ga kana mafoi contarai no egana sabe da tobai a ganin sai kai na tobai ba ni ga kana mafoi contarai no foyi no know, ai se bere to bai agani se kai ne to ba ni ka kana soy C'est d'arrêt sur son titre phare Tobey. Alors, qu'on passe à l'écho des régions. Effectivement, Ruki, direction Filingué pour aborder la question de l'importance des espaces culturels dédiés à la jeunesse milieu Tout à fait, Rétia au Niger, dans presque chaque village, il est créé un espace culturel communément appelé Danfadje, qui est un cadre d'échange et de partage où les jeunes filles et garçons se retrouvent la nuit pour se réjouir à travers des jeux, des chants et des danses du terroir. Fort malheureusement, cette vieille tradition garante de nos valeurs ancestrales a tendance à disparaître pour toujours. Écoutons ce reportage d'Abdoulaye Bagassa rendu au studio par Asmana China. en Hausa, c'est l'espace culturel du village dédié aux activités de réjouissance nocturne des jeunes, des activités sportives et culturelles. C'est une véritable école pour cultiver les valeurs intercommunautaires de génération en génération. Cela favorise le ciment de notre société, explique Chebou Haruna, un garde national à la retraite à Filangé. lokacin da akwai dan fagen nan kuma akwai adalci me adalci tun da da mangariba in ka tai hasahi ta da budurwa ba ka sa wani abu ga zuciyarka ita ma ba ta sa ga zuciyarta shi ke sa da ta hi yanzu daɗi ai wasa ai murna yan mata da maza cuɗaye babu mai dibin wani abu yanzu kuma wasa ta koma cikin ɗaki. Pour Alhaji Idi Aliyo di village de Binkan, dan fage d'une importance capital car il favorise les échanges entre les jeunes. wannan kiɗe-kiɗe da aka yi na da da samari su ƴan mata su haɗu abu ne daga haɗa zumunci shina ka abuta sai ya ga eh, waɗanga ba mutanen wanga gari ba amma wannan kiɗe-kiɗen in sun ka tai wani ma hashi abutar da ma ko abutar da kun ka tashi kuna yara ba a taɓa yin mutunci kamar irin wannan abu tabba ko kuma su matan in ana kiɗe-kiɗen nan ba su da damar wani a ta ai laɓe-laɓi da su ana wani shashanci ko kuma ana wani abubuwa dai da ba su da kyawu amma yanzu ai wannan kiɗe-kiɗe suna son su ɓashe shi shi na ga kamuna ma sai kaga kurkiya ko nono bai hoso sai ga ta lalace wannan abin tun ba a haɗu wuri guda taro in ya taru ana jin kum ai wani abu amma daga kurkiya sai samarai wani abu shi na iya faruwa dan nan da aka rawan nan yan mata in sun ka shiga kabrata suka yi sai su gallace suna azanci da wada yanzu babu inda aka kabra babu wata waka wadda aka yi bakin abin da suka yi mutane yanzu su dibi salula makircin da a ciki su doka bayan shi ba babu wata wasa wadda aka yi irin ta da wadda za ta haɗa mu na ɗan uwanci a san wada a san mutuncin wada a san darajar wada yanzu salula duk ta bata mutane Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que cette pratique tend à disparaître pour plusieurs raisons évoquées ici par Cheb Haruna, un garde national à la retraite à Filengue. Akwai bambanci da yawa. Can in ka shekara, ko da ka ta kwana gari baka wani abu gare gama na ke wuri guda kowa da kowa tare na shi kai idan ka idan kana da rishin kuma kana jan mace ka kebe da ita a'a in ma samar ce aka yi zakwa ku biyar ku goma sai ku zaku zamna mace tana tsakan ku to mina za ka ka gani ko akwai daɗi ma kuma can lokacin nan ba a wasa da kuɗi a'a in kana da hali gora na ka ɗauka ka bara ka ce akai mu uwaye babu zancen dala ba ta tambaye ka dala a a a a kuna zama na ku shekara zama ku kwana dubu kuna zama ba ta ce kamin wani abu ba ta ce ina son dan kwali ban son zane ban son ne ba san burodi ba ba san komi abinda sun sani daɗi ai wasa ai komi da komi a tashi a ta gida a kwana kana kai da san mai ka ta gida kana kana tunanin budurka ita ma tan gidan suna tunanin budurka ka gani ko ce nan babu matsala ga lokacin amma yanzu ko ina daga jikin katanga

Merci Abdoulaye Bagassa pour ce reportage très informatif et nous faisons un coucou à nos auditeurs qui nous écoutent à Filingue à travers la radio Mourière Talaka sur les 95.1 MHz. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Rocky, avant de continuer notre émission, je pense qu'on doit s'échauffer un peu avec l'œil sport. Tu es prêt, j'espère Bien sûr, Rekia, je suis prête et notre chroniqueur sportif, Gourouza Soumi, qui se trouve à nos côtés actuellement dans ce studio, me signale qu'il est prêt aussi. Bonjour, Gourouza. <laughs> Bonjour, euh, Rekia. Bonjour, euh, Ruki. Le championnat régional de football U15 de Niamey a pris fin le week-end dernier. Oui, et c'est le stade municipal de Niamey qui a servi de cadre le dimanche 21 janvier 2024 à la finale du championnat régional de football organisé par l'association de la Ligue régionale de Niamey au titre de la saison 2022-2023. L'AS Algérie est sacré champion de la saison devant CFJ Jaguar sur le score d'un but à zéro. Il faut noter que ce euh, sont sept équipes de jeunes de moins de 15 ans ou de 15 ans se sont engagées à cette compétition du donner et de recevoir et a duré six mois des préliminaires jusqu'au match de poule. L'objectif euh, c'est de ce, de ce tournoi est d'identifier les jeunes talents de la ville de Niamey. Au classement général par équipe, Aïs Aléry prend la première place, suivi de Jaguar. La troisième place revient à Racing et Wagdad a occupé la quatrième place place. Nous irons à présent à la découverte d'une femme arbitre internationale qui participe actuellement à la Cannes en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, Grouza Oui, rookie, elle s'appelle Bouchra Karbobi. Elle est marocaine. Elle est la première femme arabe à officier un match de la Coupe d'Afrique des Nations de foot en tant qu'arbitre principal. Elle a arbitré d'ailleurs le match Nigeria-Guinée-Bissau au stade Félix Boigny d'Abidjan pour euh, le compte de la troisième journée du groupe A de la Cannes. Bouchra est inspectrice de police. Elle est la première femme marocaine à arbitrer une finale de la Coupe du Trône de football du Maroc en 2019-2020. Elle a également officié la Coupe du monde de foot féminine en 2023 organisée en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, Nouvelle du 20 juillet au 20 août dernier. Meilleur arbitre de foot, Bouchra a su s'imposer au Maroc et sur le plan international. Margley, les tabous. Très beau ah parcours. Ah <laughs> Merci, Et hein. Rendez-vous demain. Merci beaucoup, Guruza, pour toutes ces informations sportives. À Ruki, c'est l'heure de rencontrer notre stade du jour. Rekia, aujourd'hui, dans la rubrique portrait, nous allons à la rencontre d'un jeune leader en la personne de Mohamed Sidi. C'est le nouveau président élu à la tête du Conseil national de la jeunesse du Niger. Voici son portrait avec Habib Garba. La trentaine Très clair et d'une taille moyenne, Sidi Mohamed est un jeune titulaire d'un master en relations internationales et gestion des conflits. Il a fait ses études de primaire et secondaire à Tawa. Il y a débuté sa première année universitaire avant de transiter vers une université privée de Niamey où il a obtenu son master. Sidi est pleinement dans la vie associative. Je suis fier de ce que la vie associative m'a donné. Moi, j'ai commencé de le bas de la vie associative autrement. J'ai fait les euh, le syndicat des scolaires. J'ai atterri au Conseil national de la jeunesse. C'est ce chemin-là qui m'a amené là où je suis parce qu'effectivement, c'est un parcours pour moi qui remplit l'ambition mais quand qui est atypique du syndicat scolaire à l'Union des scolaires nigériennes et aujourd'hui au Conseil national de la jeunesse, élu le 8 décembre dernier à la tête du Conseil national des jeunes pour un mandat de deux ans, si du compte se mettre pleinement dans le travail au service de la jeunesse nigérienne. On a besoin de la jeunesse et notre mandat s'inscrit dans ces besoins d'avoir un Niger nouveau où euh, la souveraineté n'est plus un débat, où l'indépendance d'un pays n'est plus à démontrer. Pour nous, notre mandat s'inscrit dans une dynamique dans global globale qui, au finish, va aboutir à l'émergence de notre pays. La jeunesse est le pivot, la jeunesse est l'épicentre de tout développement des ambitions, il en a pour la jeunesse, d'où sa motivation à les faire briller pour les rendre utiles à la société. Mais pour cela, Qu'est-ce qu'il attend de la jeunesse nigérienne en retour Alors, j'attends de la jeunesse un soutien, j'attends de la jeunesse de l'unité, j'attends de la jeunesse qu'elle s'inscrive dans notre démarche qui a pour but contribuer à ce que notre pays sorte de cette euh, situation dans laquelle on a vécu et un pays où tout est à la disposition de la jeunesse, où la jeunesse n'est plus cette jeunesse du besoin, cette jeunesse des, fards seulement, cette jeunesse qui innove cette jeunesse qui façonne son avenir, cette jeunesse qui n'attend pas, cette jeunesse qui est en train d'entreprendre. Celle, il reconnaît qu'il sera confronté à un énorme mire des limites qu'il ne pourra franchir. À cet effet, Sidi que si toute la jeunesse nigérienne, y immédicien, un avenir prometteur l'attend. Merci Haboubou Garba. C'était là le portrait de M. Sidi Ahmed, le nouveau président élu à la tête du Conseil national de la jeunesse du Niger. Chers auditeurs, pour notre toute dernière balade à musique dans cette émission, nous vous proposons une chanson du capital du manga. c'était Mariama Kalou qui nous chante des olèges des rois et ses chansons sont les plus écoutées au manga. Et pour rappel, Mariama Kalou n'est plus de ce monde depuis, plusieurs années. Ruki, c'est l'heure du loti dans l'émission Le Niger sur Kalangu. Aujourd'hui, les desk femmes du studio Kalangu nous édifie sur des risques qui pourraient avoir l'effet d'envoyer vos petits enfants faire des courses. Et les femmes, quand même, vous le faites. Hein. <laughs> Prêtez attention au temps qu'ils passent dehors alors. Enfin, c'est que c'est pas moi qui le dis, c'est le sujet de votre conversation avec Samira Rafi. mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir Où vais-je passer chercher la fille là Qu'est-ce que je vais dire à son papa Si je savais, je n'allais même pas l'envoyer au marché. J'aurais dû aller moi-même faire mes courses. Regarde, depuis ce matin jusqu'à présent, Jamila n'est pas de retour. Fanta, Fanta, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu parles comme ça toute seule J'ai pensé que tu t'adresses à quelqu'un d'autre. Eh, mon ami, c'est Jamila que j'ai envoyée au marché depuis ce matin. Elle n'est toujours pas de retour. Quoi Comment Et tu restes là à pleurnicher Tu as au moins informé son papa. Hé, hey, épargne-moi s'il te plaît. Informer qui Son père Tu veux la fin de mon mariage ou bien Si par hasard j'informe son père, lui qui m'a dit de ne plus envoyer ses enfants seuls au marché, comment pourrais-je l'approcher sur cette question Fanta, C'est une situation qui est là. Comment ne pas informer son père Que Dieu nous en garde. Et si quelque chose lui arrive que vas-tu faire Tu vas continuer à lui cacher Hé, appelle vite son père. Entre-temps, essaye aussi avec ses copines. Tu as des contacts, j'espère. Oui, prends le téléphone, tu verras tous les noms qui commencent par ami. C'est pour ses amis. Je vais encore vérifier à la porte si elle est en train de venir. Laisse, je vais vérifier si elle n'est pas chez une d'entre elles. Mon ami, Wallahi, elle n'est pas là. J'ai même demandé à ses copines du quartier. Elles l'ont aperçue depuis ce matin leur disant qu'elle va chez son amie pour l'accompagner faire les courses au marché. Ah, voilà une piste. Parmi ses amies, qui sont celles qui habitent dans les quartiers J'en connais une qui est dans le troisième virage là, juste là-bas. C'est l'amie si. Allons voir chez elle. Espérons qu'elles sont là-bas. Ok, allons-y. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, te voilà enfin. Donc tu as entendu ma voix et tu es sorti subitement. C'est quoi ces manières Depuis ce matin qu'on t'a envoyé, c'est maintenant que tu reviens et ça aussi, il faut qu'on te charge. Tu te rends compte de ce que tu as fait et tu nous as mis dans l'embarras. Ta pauvre maman malade, elle a failli piquer une crise de tension. Haba. Pardon, Tinti. Là, je n'ai pas fait ça exprès. On a fini les courses depuis ce matin. Mais c'est mon ami qui n'a pas trouvé l'uniforme à temps. Et c'est ça qui a fait que nous avons fait plusieurs machines. C'est au machu d'Entla qu'on a pu trouver l'uniforme. Vraiment, toutes mes excuses. J'aurais dû vous appeler pour vous informer. Vraiment, c'est ça que tu devrais faire. Désormais, si toutefois tu te retrouves dans des situations pareilles, le mieux c'est d'informer sur le champ, même si tu dois prendre le téléphone de ton ami. Inch'Allah, Tanti, moi-même ça m'a échappé. Je ne manquerai pas la prochaine fois. Vraiment, Tanti, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Hmm. vraiment, la fille a failli me tuer. Avec tous ces enlèvements, ces disparitions d'enfants, Dieu est grand. Plein de choses me sont venues à l'esprit. Comme l'a dit ta tante Laraba, tu dois faire très attention. Chaque fois que tu te retrouves dans une situation pareille, le mieux c'est d'informer. Comme ça, nous ne serons pas paniqués. Ces derniers temps, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Le monde est devenu ce qu'il est. Les gens sont capables de tout pour se procurer de l'argent ils vont jusqu'à faire des trafics d'êtres humains. Hmm. tu ne sais même pas. Rien que la semaine passée, des hommes ont voulu enlever la fille de la voisine et son amie en partant pour l'école. Heureusement que la petite a crié au secours et les deux individus ont pris la fuite. C'est pour cette raison, à chaque fois que je trouve un temps libre ou bien aux heures de dîner, je profite pour attirer leurs attentions. Primo, n'ai jamais accepté un cadeau venant de quelqu'un que vous ne connaissez pas de ne jamais accepter l'invitation d'un copain, que ça soit chez lui ou bien chez quelqu'un d'autre. Faut jamais se hasarder à aller chez lui. Au contraire, c'est à lui de venir te rendre visite. Dieu est grand. Wallahi, tu as parfaitement raison. Nous, parents, on doit redoubler de vigilance. Il faut toujours appeler aux enfants de faire très très attention et de savoir où mettre les pieds. C'est l'unique solution pour le moment. Tu as vraiment raison, ma chère amie. Prudence avant tout le bon Dieu nous protège et qu'il protège nos enfants. Amen, Allah, ma J'espère que maintenant tu vas appeler son père. Ah oui, oui, bien sûr. <laughs> Chers auditeurs, c'était le loti offert par le Desk Femme du studio Kalangu. Et dans ces studios, nous sommes aussi en compagnie de Salamatou Kadiri. Elle est journaliste traductrice au studio Kalangu. Bonjour Salamatou. Bonjour les filles. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, il s'agit de la rubrique linguistique. Salam, bonjour et bienvenue sur Studio Kalangu. Merci beaucoup, Rukaya. Chers auditeurs, bonjour. Comme nous sommes le 24 janvier aujourd'hui et célébrer la journée internationale de l'éducation. Alors, notre mot du jour est l'éducation. Comme cela a été expliqué dans les autres langues, aujourd'hui, nous allons le faire en germain. Toi, éducation, salam, tout Éducation, ruki, mai yanno wanda yanno dammo don yanno kangi gite kai se fu walmo lokkolera kanga na im dogin hingin gai wani bera tonton i wani bafuna mu am tega bori am al'umma nafa ya din mono imu goygi laboci na bora kulma na faga mm -hmm. mazanga matakai niki da sonda education wo birmaino da ya din mono cawan wanda yanno kan igite labo zan zankaisi bon fere fondo kanga kande bar mai yan beri bora kulse wani wani ga han bano hago yango fondai bon mhm. wo mo ga ce bakan izu biri mai da lokol cewa amfani beri no labo kulse Merci Salamatou pour cet éclaircissement sur euh, l'éducation. Chers auditeurs, si vous avez d'autres eh, mots ou expressions dont vous souhaiteriez euh, avoir l'explication en anglais, Hausa Zarma ou en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un message vocaux ou écrit au 82 89 89 64. Rekia, c'est le moment pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Oui, Ricky, car comme, d'habitude euh, dans cette émission, nous leur donnons bien évidemment la possibilité de nous faire leur point de vue sur nos, sur nos émissions, mais aussi de passer euh, leur salam à l'endroit de leurs euh, frères, sœurs et amis qui les écoutent sur nos 52 radios partenaires. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Shehu Ibrahim tsohon soji a nan da kwaro mai suna Ibrahim Mamudu. Kalangu dai nan dai a matsayi na dan kasa dan gari babu rediyo da ke saurare kamar radio Kalangu saboda mi Kalangu radio ce wadda muna karuwa da ta ƙwarai da gaske saboda za a kashe labari tsarkake kuma na dindindin ne wanda ya abu ya wakana a cikin kasa. shine za ka ji a radio Kalangu. Radio Kalangu saboda Allah mu yanzu ita ce muke saurare ba mu da wata radio da ke saurare a duniya ga nan cikin garin ga kamar radio Kalangu. Saboda ta mana kai kuma abin da cikin duhu in ka buɗe radio kalmar za ka shi kararara abu ba cikin wani rishin sani ba za su faɗa maka labaru cikakke abin da ya wakana cikin ƙasa za su fassara shi ka ji shi da kyau karan da kam to saboda haka mu muna so in ma da samu ne a ƙara mana wani lokaci bisa ga dangance da lokacin da aka bada anan da ƙwarwa wallahi ba ma ishe mu ba muna nema gare ku magabata wato ku ƙara mana eh, lokaci na bada labaru saboda duk abin da ka san eh, kana bukata to za ka ji insha radio kalangu za ta ba shi cikakken labari kuma ba na wani wata tangarɗa ba. Salamu alaikum sunana Abdulmumini mai adaidaita ne a maini Sorowa. Sitidiyo Kalangu wannan muna jin daɗin shi muna sauraron shi da rana muna sauraron shi da maraice. to fatan da muke yi allah kayatar da shi allah ya sa kuma wannan abun da aka sako shi allah ya sa ya ci gaba a faɗin maini sorowa yanzu ana yin faransai ana yin hausa ana yin fulatanci to fatan mu dai Allah sa dai wannan abubuwa ya ci gaba Haruna Muhammad Salisu dan tudu da kwaro mu studio kalangulan muna jin daɗin aikin da suke yi inda hali ma in akwai ƙari su ƙara ga aikin da suka yi abin da ke birga mu dai labarun da suke yi in ma son samu na da an gama faransi a aza na hausa akwai ci gaba ci gaba ma kenan da can da babu ta ai ba ci gaba yanzu ko da adda kwaita muna samun ci gaba sosai duk abunda da ana faɗakar da kowa da kowa abin da baka sani ba a faɗakar da kai ana tarbiyyar da yara ana nura su ga hanya ta kirki duk wannan shaye-shaye ka gani ba su su ana musu tarbiyya ta kwarai kenan ka gani su kalangu ci gaba ne ga jama'a ga karkara da kowa da kowa Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, nous avons adoré passer ces moments en votre compagnie, espérant que vous avez également apprécié. Vous étiez en compagnie avec euh, deux mois même Rakia Arimi et Rukayeto Abdraman. À la technique, c'était Abdulkader Chombiano et Adama Dawachi à l'édition. Le rendez-vous est pris pour demain avec Mariam à Ali et Ali Moukail alias Seynou. Chers auditeurs, Studio Kalangua, a d'autres programmes. N'oubliez pas de suivre le journal quotidien en cinq langues, Zarma français, Fulfulde, Hausa et Tamashek ce soir à partir de 17h et ce du lundi au vendredi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce week-end pour l'actu de Jeune en Hausa. Retrouvez-moi demain à 17h pour l'édition en français. Excellente journée à vous. Bye bye. Il est temps, il est l'heure. On tourne la page pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.